Euh, bi war am diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr demain mais avant loolu euh, permettez-moi aussi euh, de lancer un appel par rapport ak Pape Alé Niang nga xamante ne actuellement mi ngi ci jaxé jafe soxnaam mi ngi lancer légui ben message di wax né dox ak wax bu normal sax tën ko jamono ji donc di appeler waat aussi à la responsabilité des autorités surtout judiciaires que les loo xamante actuellement dans Alé euh, dal responsabilité parce que euh, malgré les luñ ci à l'état actuel de la procédure il est présumé innocent alors cette présomption d'innocence aussi dafa faut mi nga assurer ses droits les plus élémentaires

Comment mënti doon au delà de Pape Alé lu ñu war a assurer la mettre nit dans de très bonnes conditions surtout sur le plan carcéral te foo xamante ne nit ki nga xamante ne moom nga teg loxo il est présumé innocent alors donc euh, loolu xam naa ne dinañ ci ñëwaat ci euh, anam bu gën a yaatu mais li lon euh, waxtan bi rek muy cas bi nga xamante mom mo am assemblée nationale Té ki ñi jëk interpeller interpellé c'est le président de l'institution parlementaire lui-même parce que moom ci boppam euh, am autant d'éléments et un encadrement juridique qui permettre à l'Assemblée nationale qu'il prenne ses responsabilités mais apparemment apparemment euh, le président Amadou Mamdjoub a dafa l'Assemblée nationale bi euh, parfois il faut intervenir pour donner un coup de frein qui yenn dérapage notamment même sur le plan euh, prise de parole parce que li waral est pour yëpp moi, euh, soxna si di euh, sox député Amy Ndiaye am na nu muy euh, waxee te ku ne xam pass pass nu mu toll ci nit du l'espace politique actuellement est émaillé par des attaques yo contre des chefs religieux certes mën nañ ko nangu surtout si euh, le chef en question a une coloration politique mais tamit tout soit encadré par l'éthique et ak morale maanaam yar alors loolu noonu nga xamante ne euh, député bi mi ngi ko doon def ko arrêté net parce que euh, en fait bu ñu nee immunité parlementaire immunité parlementaire nous ngi koy leeral à chaque fois que ni euh, délit à crime bokk ci surtout délit à crime yu flagrant maanaam boo nekkee ci procédure de flagrant délit foofu immunité parlementaire amu fa alors euh, crime ak délit ça ne veut pas dire tout simplement ay acte de dóorante ak non non délit mën na nekk ci wax diffusion de fausses nouvelles par exemple diffamation par exemple ainsi de suite donc kon ci biir kàllaama ci biir wax mën nga ci commettre délit bu flagrant alors bu boobaa bu euh, procédure judiciaire bu tijjee ko contre yow munoo wax waxu immunité parlementaire alors euh, l'autre député euh, de PUR li mu def dañ parce que violence sur toutes ses formes dañ ko wara bannir surtout à l'Assemblée nationale surtout que ñuy wax né à na ndax mosoon nañoo euh, agressé comme ça l'honorable député Mame Femme. en kay mais loolu moom moo waral Sénégalais yi la décision de sanctionner cette majorité mécanique en amenant un équilibre ci l'Assemblée nationale kon tey jii nii boo ñëwee euh, jaay Sénégalais Sénégal, rupture Sénégalais yi tamit topp loolu noonu ba équilibrer assemblée nationale une forte députée euh, député wu opposition andi l'Assemblée assemblée nationale c'est pour que li woon ce n'est pas pour que nous naan daaw lii amoon na ça peut justifier ça non non non donc quel que soit alpha kenn mënul justifier kenn mënul expliquer nit qui yëkkati loxo ci euh, nit bu mu mënti doon waxatuma laak nag jigéen en tout cas donc kon nous noonu bu flagrant délit donc effectivement le procureur comme nous l'avons fait, peut interpeller directement ces députés là par une procédure de flagrant délit lu mën les nekk la alors euh, depuis démb euh, ñu ngi gis des informations qui circulent faisant état que ni député yooyu noonu dañoo daw ay fugitifs euh, il faut que l'on soit un peu sérieux surtout parfois il yenn presse yi man pas ma comprendre ce n'est pas pour essayer de faire le procès mais information aussi faut naa ne da nga koy càmbar ko ba xam li ci mën a nekk pour mën koo jox Sénégalais comment se fait-il que un député à l' assemblée nationale boo xamante ne askan bi dañ ko fal mu war a teewee euh, travaux de commission plénière bu weer bi dee mu dem fayeeku salaire ñu identifier ko xam ci parti politique bu mu bokk nekk député mais kooku naka la mënee doon fugitif logiquement quoi naka la kooku yoon war ko interpeller mu wara daw wala euh, réer comme ça non ce n'est pas possible parce que quel que soit Alpha xana bu wer bi dina salaire à l'Assemblée nationale donc il sait que ni mënu la génn mënu le système judiciaire sénégalais donc euh, cas bobu noonu ñu nan ay fugitifs lañ dawuñu lolu na leer euh, dinañ ci ñëwaat bu ñuy évoquer confrontation bi Ousmane Sonko ak dit Sarr mais am na mode de défense yoo xamante ne yoon mën na maye mais li ci kanam rawul yi gët euh, li xew dans cette affaire nekkul ay fugitifs yoo xamante ne dañoo bëgg échapper à la justice alors xam nañ ne mënuñu ko notamment am garantie de représentativité euh, ay députés à l'Assemblée nationale appartenir à un parti politique clairement identifié ñu xam leen xam seeni activité xam activité jooju sax parce que sont toujours dans le cadre de leurs activités donc bu dee euh, entendre dans cette procédure comme ko xam nañ les députés ne sont pas en fuite ça euh, bëgg mu que cette information qui dit que les députés yi ay <laughs> fugitifs donc ce n'est pas le cas et que euh, seront à la disposition de la justice sénégalaise pour euh, ñu leen euh, comme ni procureur d'effet utiliser maintenant les procédures normales pour mener euh, ces deux honorables députés là qui ne sont pas en fuite qui ne sont pas des fugitifs alors Lolo dama ko on a l'air rek ci information vous di circuler alors souvent aussi on a une procédure judiciaire euh, boo xamante ne mi ngi en cours euh, te suba dina amaat rebondissement muy euh, confrontation bu war a am diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi nga xamante ne moom moo ko viol qui est un crime donc li nga xamante ne moom moo nar a xew ci confrontation rien de plus normal dans le cadre d'une procédure pénale confrontation lu normal la yan saay mën nga déglu nit séparément dégluwaat keneen comme que ay parti les ñu opposé mën na am lu juge d'instruction bi organiser organiser confrontation et notamment confrontation sax amoon na ci procédure bi entre Ndeye Khady Ndiaye ak euh, donc c'est dans le cadre normal d'une procédure alors bu vous sax ba li nga xamante mu ngi koy wut ci euh, audition yi amuko organiser d'autres confrontations notamment euh, Adji Sarr Sidou Mohamed May par exemple donc kon euh, ce qui est clair dans cette affaire mooy sénégalais yi daanaka ñëpp ñëpp ba ci ñi nekk ci beneen boor bi opposé à Ousmane Sonko sax xam nañ ne euh, mbirum viol moom mbirum tappale la mënut a nekk dans l'exacte mesure où Adji Sarr ci boppam ba mu naan waat le euh, Ousmane Sonko na waat waxul ne na waat na daf ma violé donc li waral. Euh, réticence bi nga xamante Ousmane Sonko a à déférer à cette convocation et que lolu deug la mi ngi am réticence pour wuy parce que ce n'est pas une orientation judiciaire mom waral euh, euh, confrontation bi mais il y a une tentative de mener un procès moral contre lui imaginez un peu Aziz Sarr ak son avocat ñew ci la salle ak Ousmane Sonko et ses avocats qu'est-ce que ça peut donner comme Mais fa faut prouver l'existence d'une infraction mais essayer ridiculiser nit et c'est ça euh, ce qui est dramatique parce que l'orientation judiciaire mo wara primer exclusivement sax ci procédure bi nous benn relance politique waru ci dugg alors euh, nga jël benn euh, xalé bu de 2000 bolé ko avocat vétéran nous avons a un procès moral sur un opposant politique et ce qui est le plus problématique dans cette affaire là Et boobu vous maa ngi dire wax ma ne rek moom parce que le dernier rempart euh, l'argument bi nga xamante mis contre euh, Ousmane Sonko pour bon côté, il sur le plan politique amatul sur le plan judiciaire amatul sur le plan euh, de l'opinion publique lenn moom moo des utiliser un procès moral à Sarr war a nekk de la farce bu mu et je pense même que même moom elle commence à regretter beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe dans cette euh, procédure parce que c'est flagrant que ni procès moom bu ñu ko waxee procès amul lenn luñ fa war poser sur la table que li nga xamante ne moom la la plaignante Adji Sarr teg muy viol donc si ñëwaat ci un procès pour viol est-ce qu'il y a une relation consentie ça n'a pas de sens c'est pourquoi je suis d'accord avec Ousmane Sonko de dire que ni avons besoin de tant de parce que du avons moom procédure La procédure euh, est-ce que y a da gens qui ont ce n'est pas ça le procès la procédure ce qui a porté plainte un viol alors pourquoi dans cette affaire, essayer impérativement de faire un procès moral à Ousmane Sonko, notamment lo xamantene am gain ce n'est pas l'aspect euh, judiciaire mais am gain c'est sur l'aspect politique est-ce que justice de ko pour avoir des gains politiques et l'Oludono, on en a vu on en a vu avec Khalifa Sall on a vu avec Karim Wad, on peut remonter le temps jusqu'à Momodou Dia en 1962. La justice a toujours été utilisée comme une arme de destruction politique et c'est ce qui est dommage. Parce que même justice, après, Momo euh, rendre une décision au nom du peuple sénégalais. Alors que ce peuple sénégalais-là, Moussoul euh, Gis Bopom justice. dit Wad, la justice a rendu une décision. Bataille, les gens ont retenu de cette affaire qu'une parodie de justice. Mamadou Dia Senghor 1962 tëj nañ ko yóbbu ko les Sénégalais retiennent de cette affaire une utilisation de la justice pour des règlements de compte politique et là, on va arrêter et ci loolu noonu là à mon yakin, et je pense je continue à être euh, optimiste sur le fait que le nouveau procureur avec le juge d'instruction va mettre à terme à ces forfaitures et je ngi koy gëm ba hein. Je ngi koy gëm ba léegi que le juge Maham Diallo magistrat instructeur bi nga xamante obligation d'instruire cette affaire à charge et à décharge parce que mon magistrat du siège beaucoup de magistrats du parquet bi nga le procureur est parti au procès pénal faire, la mais le juge d'instruction bi nga actuellement procédure la procédure a l'instruction que c'est un magistrat du siège buy enquêter à charge et à décharge bu gisee luy charger Ousmane Sonko il koy le note bu gisee luy décharger Ousmane Sonko da koy jël note bu vous ba ci pare ci euh, instruction mu xool est-ce que les éléments de charge et les éléments de décharge est-ce que jar décerner une ordonnance de renvoi wala dafay des non-lieu pour cette affaire-là donc c'est dans la logique normale que les confrontation c'est dans ce même euh, dispositif que nous avons les acteurs politiques tapis dans l'ombre d'exercer influence wala pression qui maam pour avoir un procès moral je continue à être optimiste que ni euh, le juge d'instruction ne va céder à aucune pression mais l'essentiel nous avons cette confrontation là tant voulu décidé, c'est dans le siège euh, d'essayer de, euh, faire euh, humilier, ridiculiser un acteur politique. Mais lolo non effectivement euh et son avocat avec la liberté d'expression comme avocat wah wah wah wah wah, lu ko Vous bu de presse li et que sénégalais discernement entre ce qui est de la forfaiture juridique et ce qui relève euh, des, des, des, micmacs politiques. Donc dans cette affaire-là, euh, pour moi, Ousmane Sonko, impérativement, il war a le oui, malgré les conséquences yi nga xamante ne sur le plan politique di ko a ridiculiser mais boo ko deful it da ngay jox une très bonne raison d'arrêter parce que vous bañee déféré à la convocation lan moo ci faire le juge peut décerner un mandat d'amener mandat d'amener euh, juge euh, d'instruction wala qui a quatre mandats mandat yu délivrer mandat de comparution mandat d'arrêt mandat de dépôt et mandat d'amener mandat d'amener c'est qui nga xamante convoqué ko ñëwul ñu par force il faut l'amener par force et que mandat d'amener boobu limi jox comme argument qui ne il ne donne plus de garanties de représentativité et il peut décerner un mandat de dépôt C'est euh, la conséquence juridique du refus de comparaître donc pour sérénité peut-être euh, respect euh, secret de l'instruction à amatu fi dañuy génn juge d'instruction gars yi def conférence de presse wax li ci xew yëpp donc euh, foog naa ne aussi malgré que ni loolu metti na malgré euh, le complot et la conspiration de l'État leer na ci Sénégal yëpp mais li nga xamante ne euh, moom moo factuel maintenant c'est l'utilisation de ces affaires-là pour en faire une arme politique pour moralement la juger je pense que ni euh, le peuple sénégalais aussi mi nga mettre euh, Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire si ça ne dépendait que euh, de les autorités judiciaires d'alors il serait sous mandat de dépôt mais la résistance du peuple sénégalais mon mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire alors euh, Lolo ce peuple reste euh, vigilant par rapport à une justice qui est rendue à son nom parce que man bu ñu ne sama tour je vais veiller à ce que ce noonu mën en am crédibilité donc la justice est rendue au nom du peuple sénégalais et il faut que ce peuple sénégalais veille à que cette justice soit équitable pour tout le monde alaikum, wa rahmatullah développement bu ci amaat dinañ ñëwaat sur l'aspect juridique politique jërë ngeen